Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Moussa de la radio Nomade FM Agadez, une radio partenaire du studio Kalangu. Le forum c'était rappel est diffusé sur l'ensemble des huit régions du Niger grâce à un réseau de 46 radios et six télévisions partenaires. À Agadez, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Nomade FM et Sahara FM. Le forum d'aujourd'hui a pour thème abandon de l'école par les jeunes enfants au profit d'activités d'orpaillage à Ifirwan. Situé dans la partie nord du massif de l'Aïr, à 240 km d'Agadez et 120 km d'Arlitz, la commune rurale d'Ifirwan est une oasis qui compte en 2021, 18 121 habitants et le département entier 25 321 habitants selon l'Institut national des statistiques Inès Dagadez. Le complexe d'enseignement scolaire CSA Tamgak a un effectif de 337 élèves dont 169 filles et 168 garçons. L'abandon de l'école par les jeunes enfants au profit d'activités d'orpaillage constitue une préoccupation. Quelles sont les raisons qui poussent de l'abandon de l'école euh, par les enfants au profit d'orpaillage quel est l'impact de l'abandon de l'école Quelles sont les pistes de solutions à cette situation Pour en débattre, nous avons invité M. Ilyas Ahmed, le professeur du CS Tamgak, Azara Mohamed, conseillère à la commune rurale d'Iferouane, M. Algafet euh, Agali, représentant de la Fédération départementale de COGES, M. Ahmadou Akine, il représente ici le conseil des jeunes euh, départementales d'Iferouane. Mesdames, Messieurs, bonjour. va commencer par monsieur le proviseur du CS Tamgak. Pouvez-vous nous présenter votre établissement euh, Donc, euh, euh, bonjour Moussa. je pense qu'en ce qui concerne la présentation, vous avez déjà jeté un peu la base. Donc, notre établissement, c'est le CS Tamgak Différouane. Il a été créé en 1994. Il était un collège d'enseignement général jusqu'en 2009 où il a été transformé en CS, donc complexe d'enseignement secondaire, euh, donc Tamgak. Voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport à la création de l'établissement. Et il faut dire que depuis sa création, ça fait depuis 2011, nous présentons des candidats au baccalauréat. Donc moi, je pense que pour l'instant, comme présentation de l'établissement. Voilà. Merci. Dites-nous euh, comment se présente la situation des enfants qui abandonnent l'école au profit d'orpaillage euh, Justement, aujourd'hui, cette activité d'orpaillage dans notre commune euh, est une réalité. Et puisqu'elle est, est une réalité, nécessairement, il y a forcément un impact à ce niveau. Et si je prends le cas de notre établissement, donc le CS Tamgak, nous avons constaté, euh, en tout cas, l'abandon scolaires lié aux activités d'orpaillage à partir de, la rentrée 2016-2017, où nous avons enregistré près 4 cas d'abandon, surtout au niveau du lycée. En 2017-2018, 5 cas, dont 2 au collège, ça a commencé un peu à attaquer le collège. De 2018 à 2019, à la rentrée 2018-2019, 3 cas d'abandon. En 2019-2020, 4 et 2020-2021, il y a des abandons qui sont en cours, qui vont être confirmés, parce que pour l'instant, l'année n'est pas clôturée pour avoir euh, les statistiques euh, exactes de la fin de l'année 2020-2021. Et encore faut-il vérifier certains abandons s'ils sont vraiment liés à l'activité d'orpaillage. Donc je pense, voilà. Alors, monsieur le docteur, on, va rester avec vous. Ah, quelles sont les raisons de cet abandon de l'école par les jeunes et le constat que moi je fais par rapport à cet abandon, parce qu'il euh, est très aisé de constater que la majorité d'abandons euh, sont des élèves qui ont fait les écoles périphériques, pas forcément le centre-ville différent. Donc ces élèves, une fois au collège, ont des problèmes de structure d'accueil euh, notamment lié au problème du tuteur et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que euh, il y a cette tentation parfois de vouloir euh, vraiment aller à, à, à l'aventure. Et aussi, nous sommes à un moment où tout le monde est pressé d'avoir de l'argent rapidement et suffisamment d'argent. Et des fois, il n'y a que l'or pour vraiment peut-être, en tout cas, réaliser certains rêves qui sont un peu pharaoniques, même, j'allais dire. Monsieur Akine Ahmoudou, vous représentez les jeunes du Qu'en pensez-vous de cette euh, situation d'abandon d'école des enfants au profit euh, leur paillage euh, Merci, monsieur Moussa. nous, nous pouvons dire que ça, c'est une thématique capitale pour le département. Parce qu'aujourd'hui, Féroan constitue un site d'orpaillage. Parce que nous avons beaucoup de sites où les jeunes vont à la recherche euh, d'un euh, lendemain meilleur, si on peut le dire. Donc, euh, <coughs> le constat, je, pense que le professeur du CS, il a est pratiquement tout dit. Et les jeunes aujourd'hui, ils sont pressés d'être, en tout cas, des nantis, avoir l'argent, se marier vite, et peut-être acheter les véhicules, acheter une moto cest c'est ça l'ambition. Parce que maintenant, quand vous regardez, les jeunes, ils n'ont pas d'objectif pour demain. C'est-à-dire, c'est l'immédiat qu'on voit. Parce que je pars, je cherche l'argent. J'ai vu mon ami, il a eu l'argent euh, euh, au niveau de l'or. Maintenant, il vient, il a acheté. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Donc, euh, je pense que ça, c'est, c'est le manque d'objectifs chez les, chez les jeunes d'aujourd'hui. Donc, vraiment, les, le seul objectif qu'ils ont, c'est d'être, euh, c'est d'avoir de l'argent. Et aujourd'hui, vous avez vu, euh, même pas l'école, si on peut le dire, l'abandon. Quand vous reprenez d'une manière générale, aujourd'hui, ils feront euh, l'activité principale, c'est l'agriculture que nous avons. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont même abandonné ces jardins au profit de l'or. Donc, vous voyez les grands dangers encore. Donc, euh, pour Vous, vous pensez, c'est quoi les raisons qui les ont poussés à abandonner vraiment l'école pour partir alors Vous pensez que c'est savoir de l'argent vite C'est facile oui, ça, en fait, euh, moi, je vous ai dit, les, les professeurs, il a pratiquement tout dit. Parce que c'est on est pressé. On est pressé d'avoir l'argent. On est pressé, c'est bien normal. J'ai vu mon ami, il est parti peut-être avec un coup de chance. Il a eu l'or, il est venu, ça a changé sa vie parce qu'on dit c'est l'or seulement qui peut te changer d'un jour à l'autre. Donc euh, c'est comme ça. Euh, Monsieur Galère euh, vous êtes représentant de la Fédération départementale de COGES ici à, à Alors vous, qu'en pensez-vous de cette situation d'abandon des enfants au profit de leur paillage Comme vous venez de le dire, je représente évidemment la FTC. La FDC a été mise en place en 2019. Elle regroupe euh, principalement trois COGES. Le COGES euh, du CS différent, CS le COGES euh, du franco-arabe et le COGES du CS Arambelu de Timia. Alors, la thématique d'aujourd'hui est très importante parce que l'abandon, comme vous venez de dire, c'est une préoccupation majeure. L'abandon des élèves au profit de repaillage. Alors, nous, en tant que parents d'élèves, c'est normal que ça nous préoccupe parce que nous voyons en la jeunesse euh, l'avenir du pays et de la communauté. Un enfant qui étudie est différent de celui qui ne va pas à l'école. Alors c'est devenu monnaie courante ces dernières années-là, depuis que l'or est apparu. Et le constat est que c'est surtout les élèves qui viennent des périphéries, comme euh, nos prédécesseurs viennent de l'indiquer, les villages environnants, qui sont même pas loin. on constate cet abandon-là souvent dès la sixième. Et l'une des causes majeures, c'est que ces enfants, ils viennent souvent avec, euh, avec des petits problèmes, souvent les problèmes de tutorat. Ils n'ont pas de tuteur. Et quand un enfant exprime des besoins, il ne sait pas souvent à qui s'adresser. Il cherche une piste euh, très facilement. Alors l'or est venu, malheureusement, euh, voilà, donner encore plus d'illusions à ces enfants-là. Vous voyez donc vous, allez constater que chaque année pratiquement on, enregistre des cas. Et c'est préoccupant vraiment. C'est vraiment préoccupant. Et l'une d'autres causes, euh, l'une des causes principales, c'est évidemment le fait qu'aujourd'hui il y a une mentalité au niveau des, des, élèves, j'allais dire nomades, en zone nomade. La mentalité c'est que pour eux l'école n'est pas encore euh, cette clé de réussite là. Beaucoup, beaucoup d'entre eux pensent qu'aller à l'école aujourd'hui, c'est une perte de temps. Ils vous disent des exemples. Hein. Ils vous vont dire, bon, mon grand frère a été à l'école, il a fait son bac, il a une licence, il est là en train de chômer. Ou bien même si vous réussissez, vous finissez par euh, devenir un enseignant ou quelqu'un de la santé, alors vous n'avez pas la possibilité de régler des petits besoins de 50 000, un exemple. Mais quand on va euh, trouver de l'or, alors on peut prendre en charge toute une famille, on peut se faire tout ce qu'on veut. Vous voyez un peu et euh, le, le problème où il donc cela, c'est vraiment une des, conséquences, des conséquences énormes. On va en venir sur les conséquences. Merci Agali Algafet. Euh, Azara, on revient avec vous. Azara, je rappelle Azara Mohamed, vous êtes conseillère à la commune euh, rurale d'Ifirwan. Azara, donc euh, vous, euh, qu'en pensez-vous de cette situation d'abandon de l'école par les jeunes Quelles sont les raisons de cet abandon de l'école par les jeunes selon vous Hmm, selon moi, bon, la cause principale de cette problématique, je crois qu'elle est due au manque de moyens. Manque de moyens de les élèves là pour pouvoir continuer leur scolarité, ils finissent par abandonner pour aller chercher de l'or pour avoir de l'argent vite. C'est vraiment ça la cause. Merci beaucoup. Alors, on va revenir avec vous, monsieur le professeur. Quelles sont les conséquences à court et moyen terme de ces abandons pour les départements euh, bien. Donc, euh, euh, les conséquences que nous, nous voyons, c'est que de toutes les façons, c'est qu'au niveau du monde scolaire, donc des jeunes, ça va créer l'envie chez tous les autres élèves. C'est là où se situe le problème. Et si je prends le cas, c'est vrai que nous avons constaté qu'en majorité, c'est les élèves qui sont concernés viennent des écoles euh, périphériques, donc de la zone rurale. Et ça fait que euh, ces derniers temps, si je prends le cas de cette année, euh, ceux qui sont en cours d'abandon sont des cas de même d'élèves qui viennent donc du chef-lieu de la commune. Donc, donc c'est pour vous dire que ça fait, ça fait tache d'huile. Donc ça veut dire que euh, on va en arriver à un problème où on aura des problèmes de maîtrise des effectifs parce que pour l'instant, je pense que euh, on a pu stabiliser les effectifs et le cycle, le deuxième cycle, celui du lycée aussi est pourvu d'élèves. Donc vous voyez le danger, c'est que euh, si on n'arrive pas a toujours approvisionné parce que euh, le problème au niveau du CS Tamouak aujourd'hui, c'est que les écoles périphériques ont commencé à ne pas approvisionner suffisamment en, élèves, suffisamment, par exemple au niveau de la sixième. On a rarement trois sixièmes, on a à peine parfois deux sixièmes. Et donc, vous voyez, ça veut dire que les écoles primaires n'en amènent pas suffisamment. Et s'il y a cette activité de repaillage encore qui commence un peu à, à nous prendre euh, donc, euh, des élèves, donc ça fait qu'on euh, on va se retrouver avec des effectifs au deuxième cycle qui feront en sorte que euh, la viabilité donc euh, du dixième cycle va être remise en cause par le taux d'abandon, puisque euh, on va pas se retrouver avec des classes peut-être avec trois, quatre élèves euh, en, seconde, six par exemple ou dix en première, tout comme à nos débits, parce que pour l'instant au moins aujourd'hui on en a des dizaines. Donc ça fait que euh, moi je me dis que euh, c'est une conséquence qui peut avoir vraiment, c'est des conséquences très fâcheuses euh, parce que ça va démobiliser presque toutes nos troupes, euh, j'allais dire si je m'exprime en termes, même si c'est un terme militaire, au niveau de ça crée des abandons et euh, tout le monde va pouvoir vraiment chercher. Parce que dès qu'on a des exemples, comme Al-Gafet l'a dit, ça, revient à, nous créer des problèmes à l'interne et pour les médecins Monsieur Ahmadou, à quelles sont les conséquences à court et moyen terme de cet abandon pour le département Merci Moussa. Les conséquences euh, sont énormes euh, donc, euh, à court et à moyen terme pour le département parce qu'aujourd'hui, vous voyez, un enfant qui quitte l'école à un âge précoce, cet enfant-là d'abord, il est, il est laissé à lui-même. Donc, son éducation dire c'est à lui de s'éduquer. Maintenant, euh, quitte à lui de voir les milieux qu'il va intégrer. Et ces milieux, nous le savons tous, le milieu d'orpaillage, euh, il est ce qu'il est. Moi, je ne pense pas que dans le milieu d'orpaillage, il y a l'éducation. La vraie éducation, euh, je ne pense pas à la recherche de l'or et à la vraie éducation, parce que chacun maintenant va se chercher et chacun va faire violence sur l'autre, peut-être pour ses pour se faire de l'argent. Maintenant, les conséquences aussi, c'est quand tu, pars et que tu ne trouves pas. Parce que l'or, là, chercher l'or, ce n'est pas, pas une garantie. Quand je pars, je vais trouver. Ce n'est pas une garantie. Et quand je ne trouve pas, qu'est-ce que je vais devenir Là, j'ai abandonné l'école, là où j'ai au moins une garantie. Parce que l'école, c'est vraiment la garantie, si on peut le dire. Si je ne trouve pas l'or et que j'ai quitté l'école, maintenant quel est mon sort dans la vie Peut-être je vais devenir un, éternel chômeur, certainement. Donc si je, je deviens un chômeur, peut-être je suis tenté à beaucoup de choses, peut-être qui sont mauvaises pour la communauté. Moi, je pense que ces jeunes-là qui quittent l'école, en tout cas, c'est une menace pour la communauté. En tout cas, tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution euh, par rapport à ça, c'est une menace. Et puis c'est une perte aussi pour, euh, pour les pays, parce qu'on dit les, les jeunes, c'est une fer de lance pour les pays. Maintenant, si ces jeunes-là abandonnent l'école, demain, l'État peut compter sur qui Nous pouvons compter sur qui ah Si ces jeunes-là abandonnent. Donc vraiment, ça, c'est une situation qu'il faut régler très tôt euh, pour ceux qui est de, de ces élèves à l'école. Alors, Monsieur Agali Algafet, quelles sont les conséquences à court et moyen terme de ces abandons pour les départements Alors, merci Moussa. Pour les conséquences, alors, il faut noter que lorsque les élèves abandonnent l'école, il y a d'abord une réduction des effectifs. Lorsque les, les effectifs sont réduits, voyez-vous donc qu'on ne peut pas provisionner les euh, cycles suivants en, élèves suffisamment. Donc, ça peut jouer sur vraiment la vie de l'école ou de l'établissement tout entier. Alors, euh, l'autre conséquence, c'est que ces enfants qui partent à la recherche de l'or, comme l'a dit M. Kine, ce n'est pas sûr qu'ils vont avoir de l'or. Et s'ils ne pas, ils vont rater la formation de base et risquent de se jeter encore dans d'autres activités criminelles. Parce que là, ils ont à l'esprit quelque chose, c'est-à-dire des moyens. Ils vont dans la vie active. Et quand ça ne va pas, ils basculent. Ils ne vont pas revenir ici. Beaucoup vont basculer dans d'autres activités et on ne sait pas euh, comment ça peut finir. Et ensuite, à long terme, c'est que quand les élèves abandonnent, on manque de ressources humaines. Nos communes aujourd'hui ont besoin de ressources humaines. Avec le système de décentralisation, voyez-vous, euh, dans, dans tous les centres, dans tous les services, on a besoin de la matière humaine. Alors, c'est pour cela qu'on encourage les enfants de la commune à, à étudier et à revenir chez eux pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, il y a une difficulté. En affectant d'autres personnes, on est souvent mal à l'aise. On n'a pas le travail qu'il faut. Donc c'est pour cela que les conséquences, on ne peut pas les, calculer, sont énormes. Et ça peut toucher évidemment la vie, la vie de la commune. Et ça réduit en développement vraiment la, la commune tout entière. Donc voilà donc ce que je pense. À long terme, on risque de manquer des ressources parce qu'il y a, s'il y a des, cas d'abandon comme ça. Et puis à la contamination, comme ça se dit. Plus on abandonne, plus il y en a qui ont envie de partir encore je pense qu'il faut freiner. D'accord. Azara, Mohamed, euh, vous représentez la commune euh, d'Ifirouane. Alors, quelles sont les conséquences euh, à court et moyen terme de ces amendements pour le département Les conséquences, comme l'a dit monsieur le proviseur, les dangers ici, c'est au niveau de l'école. C'est une grande menace, le fait d'abandonner l'école là. Il y a les autres élèves qui voient leurs amis revenir avec de l'argent, donc ils ont envie et aussi de, partir. Donc, c'est une grande menace pour l'école parce qu'il y aura beaucoup d'abandon, pour moi. Quelles sont les conséquences que vous pensez que ça peut engendrer ces, abandons des enfants Les conséquences que ça va, il y, aura beaucoup de, des élèves qui vont abandonner et, et partir. Donc, ça ne sera pas bien pour, pour, les, pour, pour la commune. D'accord. Euh, merci. Euh, on, revient avec vous, monsieur le professeur. Euh, quelles sont les actions que vous menez vraiment pour y remédier à cette euh, situation au niveau de votre école Justement, nous ne, restons pas, en tout cas, les bras croisés face à, ce, à ces fléaux. Et au niveau de l'école, non seulement l'administration du CS, mais aussi les enseignants du CS, donc le corps professoral, nous nous investissons tous euh, en compagnie donc euh, du COGES et effectivement de la FDC pour euh, faire en sorte que nous sensibilisions davantage les élèves que nous avons en main pour leur faire comprendre que c'est vrai que l'or peut faire en sorte qu'on change brutalement mais positivement aussi notre vie. Mais c'est que, comme on l'a dit, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Alors, ce que nous leur faisons comprendre d'abord, c'est qu'il y a un temps pour les études il y a aussi un temps peut-être pour aller se faire de l'argent. Et je pense que quand on est jeune, euh, le meilleur, euh, en tout cas, euh, gain qu'on peut avoir, c'est celui-là justement de pousser ses études jusqu'à un certain, jusqu'à un certain moment. Et parce que si on les rate, après on en aura besoin et ça serait trop tard. Donc nous vraiment, nous sensibilisons, nous, nous faisons du dialogue avec nos élèves le meilleur moyen de juguler ce problème, quand bien même peut-être nous sommes seuls les acteurs sur le terrain, et nous profitons euh, justement de ces genres dantenne là de plateaux, pour pouvoir faire passer le message. C'est peut-être pour moi l'occasion déjà de remercier donc euh, le studio Kalangu euh, parce que il n'y a pas longtemps aussi nous avons assisté un débat de, de, ce, de ce genre là en tout cas sur la vie de la cité. Donc moi je pense que tous les thèmes euh, sociaux sont les bienvenus. nous avons toujours estimé que pour euh, résoudre ce problème, il faut vraiment l'implication surtout des autorités locales, qu'elles soient municipales ou euh, administratives nous seuls les acteurs, parce qu'aujourd'hui c'est juste les enseignants, euh, les COGES euh, qui ont laissé nos COGES en zone rurale, euh, même si on peut dire qu'ils sont fonctionnels entre griffes. À eux seuls, ça ne suffit pas. Il faut que les autorités communales, les, les leaders religieux ou les chefs traditionnels s'impliquent pour que les enfants vraiment soient maintenus dans le système le plus longtemps possible parce que euh, de toutes les façons, on sait que quand ces jeunes-là ne sont pas occupés, surtout à l'école, ben ils sont vraiment. Vous dites, vous faites de sensibilisation. Comment vous faites cette sensibilisation euh, Comme je l'ai dit, parfois, donc nous saisissons des occasions euh, qui sont offertes d'abord à notre sein. Euh, nous partons dans les classes pour le faire. Nous ne ratons pas ce genre d'occasion et quand il y a des ONG ou des projets qui viennent aussi dans le cadre du maintien, puisque nous en avons du maintien euh, donc des élèves à, l'école, nous faisons ce genre de sensibilisation-là pour que les élèves euh, effectivement acceptent de rester à l'école jusqu'à ce qu'ils soient assumés pour aller peut-être dans des sites d'orpaillage. Vous avez parlé des ONG partenaires. Mhm quelles sont les ONG partenaires qui vous appuient pour euh, euh, ben, Par exemple, euh, vous en avez oui, par exemple, si on peut parler de, d'un moment de l'UNICEF, qui a un moment, parce qu'aujourd'hui, si, nous avons un peu au deuxième cycle suffisamment d'élèves, l'UNICEF et head Tamat, on, on, peut pas, on peut parler de ces ONG-là, parce que à un moment, ils nous avaient permis de vraiment d'avoir une cohorte d'élèves qui a été euh, en tout cas prise en charge depuis dès la sixième et au BPC nous avons fait des très bons résultats et aujourd'hui c'est ces élèves là qui ont composé l'ossature même du deuxième cycle au niveau du lycée donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu peut-être cet appui euh, on aurait des, des effectifs dérisoire. C'est comme je vous ai dit, ça fait un bout de temps aujourd'hui, euh, rien qu'en seconde, par exemple, A, ah, nous avons plus de, euh, un peu moins de 30 élèves, ce qui n'était pas euh, du tout possible. En première A, on en a, on en a, on en a au moins plus de 23. En terminale A, cette année, on en a jusqu'à 28. Bon, en série D, on en a jusqu'à 16. Première D, c'est vrai qu'on en a moins de, moins de 20 et en seconde, c'est moins de 20. Donc, moi, je pense que ce maintien-là, qui fait que, comme tu as l'heure, qui fait que les lycées est viable. Mais si, entre-temps, il y a beaucoup de déperditions déjà au niveau du collège, il est bien clair qu'au niveau du lycée, ça va, ça va, casser. Voilà. Akine, on revient avec vous. Vous êtes représentant de jeunes différents. Alors, quelles sont les actions que les jeunes mènent pour euh, vraiment y remédier à cette situation d'abandon des enfants au profit de l'activité de leur paillage euh, euh, merci Moussa. Donc c'est toujours euh, la campagne de sensibilisation au profit de ces jeunes. Parce que ces jeunes, il faut les sensibiliser. Parce que ça, c'est juste une particularité, c'est les jeunes qui sont à l'école. Maintenant, aujourd'hui, un jeune qui est là en train d'errer, qui est en train de vagabonder, quand tu lui dis, ah à de rester, il n'a qu'à chercher du travail, il va te dire, ah, je ne peux pas l'empêcher d'aller chercher son or. Donc il va dire que c'est comme si tu es contre lui. Bon, il voit pas tous les dangers qu'il y a. peut-être il a, il a sa chance aussi, on ne sait pas, puisque dans la vie, tout le monde, chacun a sa chance. Mais à l'école, je pense que c'est la sensibilisation, comme l'a dit le, le professeur de l'établissement, sensibiliser ces jeunes pour qu'ils restent à l'école, parce que l'école, c'est... Vous, vous les sensibilisez En tout cas, nous, nous sensibilisons nos, nos, nos, nos jeunes qui sont à l'école, parce que l'école, c'est ça la garantie de demain. L'autre, c'est Comment vous les sensibilisez Bon, on peut, quand on trouve un créneau, on peut aller dans les, dans les classes pour euh, sensibiliser ces jeunes, pour leur dire, bon voilà, vraiment, il faut rester étudié. Parce que euh, celui qui a étudié, en tout cas, il ne faut pas qu'il voit euh, qu'il ne peut pas réussir, non. C'est quand tu es à l'école que tu as plus de garanties. C'est vrai, l'or, avec un peu de chance, ça peut changer ton nom. Si tu t'appelles X aujourd'hui, demain tu peux avoir le nom de Z. Donc euh, moi je pense que et il faut qu'il ait l'implication aussi des, autorités, parce que euh, des personnes qui n'ont pas quand même une certaine responsabilité, la sensibilisation n'est pas trop, et en tout cas appréciée de ces jeunes là. Qui quand peut-être c'est les autorités qui accompagnent donc à ces structures-là pour sensibiliser les jeunes, les jeunes qui sont à l'école. Donc les autorités, que ce soit coutumières, euh, il y a des partenaires, mais comment Les partenaires, ils, viennent avec leur, euh, leur activité peut-être et à des temps euh, c'est circonstanciel quand on prend peut-être pendant les festivals. Ils viennent, on collabore pour faire certaines activités. Mais en réalité, il n'y a aucune ONG qui appuie donc, euh, les jeunes pour ce qui est la sensibilisation. Mais euh, euh, les jeunes, peut-être, qui sont, <coughs> qui sont dans les, qui ne sont pas à l'école, en tout cas, il y a des structures, qui, il y a des ONG qui appuient pour leur formation donc dans la vie active. Donc on ne peut pas les, on peut pas les oublier. Il y a pas mal de partenaires qui appuient les jeunes donc pour la sensibilisation et de se retrouver dans la vie active à, travers des formations dans plusieurs domaines. Agali Algafet, euh, les parents, vous, quelles sont les actions que vous menez aussi euh, à ce qui vous concerne par rapport vraiment à, cette situation Alors, merci. Donc, nous, au niveau de la FDC, nous coordonnons les activités de COGES. Donc, euh, les COGES sont les plus proches des établissements parce qu'on les trouve au niveau de chaque établissement. Donc, c'est à travers cela donc, que nous profitons pendant les AG ou les réunions ordinaires de COGES, donc nous plaçons notamment à l'endroit des parents d'élèves. Parce qu'il faut responsabiliser vraiment les parents face à cette, euh, à cette menace-là. Il se peut que certains parents ne savent pas que euh, ne, savent pas dans quelle situation sont leurs enfants. Donc, plus on les alerte, plus on a la chance de garder ces enfants donc, à, l'école. Donc, c'est au profit donc, euh, des réunions, des AG, qu'on passe le message, les sensibilisations pour que chacun soit au courant vraiment du, du fléau qui est en train de, de gangréner donc nos, écoles. Donc euh, ensuite, euh, les partenaires. Les partenaires, quand ils viennent, on partage ses avis avec. Et merci, euh, vraiment, l'UNICEF accompagne beaucoup d'écoles sur ces, sur ce genre dactivité là Et l'UNICEF, on sait que ces, ces dernières années, quand même, ils ont, ils ont investi beaucoup. Ils ont accompagné beaucoup de, beaucoup d'écoles et on les encourage. Vraiment, donc je pense qu'il faut mobiliser autant de partenaires, autant de partenaires qu'il faut, afin que la situation soit maîtrisée. Et en même temps, les autorités doivent s'impliquer, comme l'a dit monsieur le professeur, les autorités d'abord euh, administratives et coutumières. C'est là que peut-être les parents vont trouver, vont sentir vraiment l'impact. Parce que souvent, quand on parle en tant que simple parent comme ça, là, euh, beaucoup ne prêtent pas attention. Mais quand c'est le chef du village qui parle, ou quand c'est le préfet qui parle, ou quand c'est le maire qui parle, il y en a qui accordent un peu d'importance. Vous les impliquez dans vos sensibilisations Bien sûr, parce que euh, dans toutes les instances, rien que les, simples remises de bulletins, on invite tout le monde. Et là, on s'adresse directement aux élèves. Parce que là, il, il faut dire les résultats tels qu'ils sont. La production des élèves et quelles sont les, les, les, conséquences que ça peut, donc, que ça peut entraîner donc, sur la vie de l'école. Ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas travaillé, ceux qui sont en situation d'abandon et tout ça là. Donc c'est vraiment le moment idéal. Les parents sont là, les autorités sont là, les élèves sont là. Donc je pense que c'est surtout ces moments-là qu'on passe beaucoup plus les messages. Merci beaucoup, M. Al-Gafit. Euh, Azara, Mohamed, euh, alors quelles sont les actions que vous menez, euh, les autorités locales euh, différentes, pour vraiment euh, régler cette situation Les solutions que nous envisageons, c'est la création des infrastructures, la création des cantines scolaires, les rations, les séances de sensibilisation des parents et celles des élèves. La ration sèche peut aider, peut contribuer bien pour les élèves. La formation du COGES, elle aussi. Bon, je crois que c'est ça. Et les partenaires qui viennent. La sensibilisation des parents des élèves et les, et les élèves eux-mêmes y compris les leaders religieux. Vous avez parlé des cantines de rations. Vous voulez faire des cantines pour garder les enfants Qu'est-ce que vous voulez dire Oui, on, veut faire ça. Vous voulez faire quoi créer ça. Créer, des, créer la création des cantines scolaires pour maintenir les élèves. Ça va nous aider à garder l'effectif. Ça va éviter l'abandon là. Ah, d'accord, Donc, c'est l'une de, vos solutions. Alors, euh, euh, monsieur le proviseur quelles sont les pistes de solutions que vous proposez dans le but de remédier à ces problèmes, euh, si vous avez des, propositions Il faut bien dire que les solutions, elles ne manquent pas. Il faut se donner donc le courage pour que chacun joue sa sa partition afin que, en tout cas, les voies de sortie soient trouvées pour tout le monde. Euh, pourquoi j'ai dis ça Parce que euh, tout simplement, tout à l'heure, nous avons parlé donc de l'engagement euh, des autorités communales et aussi des autorités administratives et des leaders religieux, des chefs traditionnels et des leaders d'opinion. Parce que moi, je me rappelle, à beaucoup de reprises, nous l'avons dit à chaque fois que nous avons un micro devant nous, ou bien lors de certaines ateliers qui parlent de l'éducation, nous profitons pour demander à ce que justement à cette implication. Elle l'a dit tout à l'heure. En fait, nous qui sommes les acteurs directs de l'école, notre impact de toutes les façons, il est vraiment très limité. Mais euh, si les autorités s'impliquent davantage, je pense que les choses peuvent aller au bien. Et aujourd'hui, nous avons la chance que, euh, euh, si je prends en tout cas notre cas, nous qui sommes en zone nomade, euh, avec, euh, en train de diriger des établissements. Je pense que la, la préoccupation fondamentale liée, euh, en tout cas, à tous ces problèmes que nous avons évoqués, nous pouvons nous trouver satisfaction dans l'engagement du président de la République, Bazoum Mohamed, et qui, en tout cas, fait de l'école, en tout cas, son cheval de bataille. Et c'est une grande chance que nous avons. Et surtout, il a la bonne compréhension de l'école en zone rurale. Et c'est là où, quand on a parlé, donc, euh, quand tu l'as parlé de l'école, de la scolarisation de la jeune fille, et, il envisage la création d'internats dans généralement les établissements secondaires ruraux. Donc moi je pense que ça c'est vraiment l'une euh, euh, une solution. En tout cas, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Encore que c'est nécessaire même pour les jeunes garçons. Je pense que de toutes les façons, si c'est fait pour les filles, parce que si je prends les cas des jeunes filles, aujourd'hui, nous n'en avons presque pas les jeunes filles qui viennent des écoles, euh, en tout cas périphériques. Si je prends mon établissement, il y en a peut-être à peine deux ou trois sur les 300, euh, plus de 3, sur les 337 élèves. Donc vous voyez que c'est dérisoire. Et tout ce qui fait ça, mais pourtant ces élèves-là, il y en a qui vont jusqu'au CMD. Même à 7 km différents aujourd'hui, les élèves qui, qui, qui, vont en sixième, notamment les jeunes filles, n'arrivent pas à venir ici pour continuer la scolarité parce qu'il y a ce problème de, de tuteur qu'il y a d'infrastructures d'accueil. Donc la conseillère a parlé d'infrastructures et justement ces infrastructures-là, il faut les créer euh, pour que, pour que, pour que ce marche-là. Il faut créer des internats pour, dans un premier temps, accompagner non seulement la jeune fille, comme l'a dit le président, mais pourquoi pas aussi les jeunes garçons qui viennent des écoles rurales et ça peut résoudre ce problème justement même de la rue, comme on dit, vers, euh, euh, vers l'or. Moi, je pense que les solutions passent par là. L'engagement politique est là et les acteurs au niveau local, chacun n'a qu'à jouer sa partition complètement. Parce que euh, nous n'avons pas souvenance, par exemple, que l'on organise une sortie même par rapport aux fréquentations, parce que si nous prenons le cas de la commune, il y a beaucoup d'écoles où la fréquentation scolaire n'est pas très bonne. Parce qu'il faut faire fréquenter tous ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, devraient aller euh, à l'école. Donc il faut faire ce travail-là, d'améliorer la fréquentation partout euh, dans, la commune et faire en sorte que euh, ça marche. Parce que si la, la, fréquentation est au moins à 90%, les déperditions ne vont pas tirer l'existant. Mais si la fréquentation est à peine peut-être à 20%, mais c'est clair que l'existant va être en voie de disparition. Donc voilà, c'est un peu ça parce que euh, la survie, en tout cas, du, CS dépend justement des, le socle, c'est bien, c'est, en tout cas les, ces écoles primaires là où il faut faire fréquenter trop d'élèves. Merci. En ce moment, merci. y en a qui partent, ce euh, c'est pas un problème qu'on en a besoin. J'en profite pour dire que par exemple, euh, on en a besoin de la fréquentation de ces enfants là. Parce que souvent, les, en tout cas les communautés ne réagissent que quand peut-être l'enseignant n'est pas là. Eh bien, il faut bien que nous tous nous comprenions que si nous voulons que nos enfants réussissent, il faut bien que nos enfants restent à l'école. Il faut que nos enfants acceptent d'être des enseignants. Il faut que nos enfants acceptent d'être des infirmiers, il faut bien. Et, tout, et Mais si nous n'acceptons pas que nos enfants enseignent, parce que peut-être eh, il leur faut plus d'argent, mais c'est bien, bien entendu que quelqu'un d'autre ne, viendra pas. Euh, merci, merci, monsieur le professeur. On va, on, va écouter Akini. Akini, donc, euh, à votre niveau, le jeune, quelles sont les pistes des solutions que vous proposez dans le but de remédier à ces problèmes euh, Merci, Moussa. Donc, euh, comme l'a si bien dit le proviseur, euh, les autorités doivent collaborer avec euh, les acteurs de l'école parce que quelqu'un ne peut pas venir et te dire voilà ce qui ne va pas chez toi. cest à toi de voir ce qui ne va pas et puis proposer une solution. Donc je pense que les acteurs de l'école, ils ont plus de solutions par rapport à cette euh, situation. Si je prends un exemple, on dit d'autres, ils ont un problème de titeur. Donc, ceux qui ont un problème de titeur, pourquoi ne pas créer ces structures d'accueil pour accueillir ces enfants qui viennent de la périphérie, les maintenir donc dans, dans ces structures d'accueil. Maintenant aussi, euh, vous voyez, il y a aussi un problème de, Toujours dans le problème du tutorat, vous allez voir un tuteur qui a à sa charge jusqu'à 10 élèves. Vraiment, malgré. sa, Oui, malgré sa situation, il, arrive à les gérer. Mais c'est difficile, c'est pas facile. Parce que chacun, il a son éducation propre à lui. La gestion, elle est très difficile. C'est des choses qu'il faudrait quand même trouver une, solution par rapport à, à, ce genre de situation. cest à surtout le problème des tuteurs c'est ça le grand problème ici à, à C'est quoi la solution que vous proposez pour le problème quand la, solution, elle est aussi simple que facile. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui les, cas du CS que nous avons, le CS Tamgak, il y, a beaucoup d'élèves qui viennent de la périphérie. Et aujourd'hui, si au niveau du CS, on crée une structure d'accueil, c'est-à-dire une cantine scolaire qui va acquérir ces jeunes qui viennent d'ailleurs, moi je pense que au moins on peut maintenir cet effectif-là même si on ne peut pas les maintenir à 100%, je pense que d'ici la fin du cursus scolaire, on peut avoir au moins 90% de ces, de ces enfants qui vont réussir. Merci, Monsieur Akini. Agali Algafet, euh, le parent, vous, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez dans le but de remédier à ces problèmes Alors, merci. Donc, nous, en tant que parents, nous pensons qu'il faut que chacun joue son rôle, surtout en tant que parent. Le premier responsable je parle des acteurs, quoi. Les acteurs de l'éducation euh, jusqu'au sommet de l'État. Mais les premiers responsables d'abord, c'est les parents. C'est d'abord les parents qui doivent essayer les, les, les moins qu'ils peuvent, en tout cas, de, de, guider son enfant vers un avenir meilleur. Euh, le surveiller, tout simplement. Quand ton enfant quitte la maison, vient à l'école, assure-toi qu'il est venu à l'école. Assure-toi qu'il a pris le cours. Assure-toi qu'il est assidu au cours. Donc, de temps en temps, il faut que les parents s'impliquent vraiment dans la, dans la vie scolaire de leurs enfants. Voilà. Donc ensuite, euh, une des solutions, euh, c'est que comme je le disais tantôt, c'est vraiment les, les, périphéries, comme l'on dit, les presse, qui, qui, causent des problèmes. Les... C'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant parce qu'avant, on a acquis beaucoup d'élèves de, de la périphérie. Ils venaient, on a fait beaucoup de promotions avec eux. Mais ces années-là, c'est devenu notre problème. Les enfants restent chez eux. À partir du CMD, ils abandonne. Ils ne viennent pas en sixième. Même s'ils viennent en sixième, ils font peut-être les trois premiers mois-là, ils rentrent chez eux. Donc il y a un problème de Donc à ce niveau-là, il faut accompagner ces enfants-là. Il faut les accompagner jusqu'à la fin de leur scolarité. Et peut-être qu'une fois qu'ils aient les brevets ou les bacs, à mon niveau, je propose qu'on les encourage. On les encourage, on attribue des bourses, qu'on fasse une programmation, quoi, pour vraiment des communes comme Ferwan, Timia et les autres toutes les communes rurales. Parce que c'est là où se pose le problème. Encourager ces élèves-là, attribuer des bourses, peut-être que ça va susciter un peu d'espoir. Et une fois qu'ils auront fini leur cycle, on essaie de les insérer, en tout cas, dans les différents services. Peut-être que ça va donner encore de l'espoir pour ceux qui sont, qui sont petits. Azara, Mohamed, euh, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez dans le but de remédier à ce problème Bon, moi, comme je l'avais dit, c'est la création des cantines, les séances de sensibilisation des parents et celles des élèves, la formation des COGES et aussi à la création des structures d'accueil. Alors enfin, vous avez un cri de cœur euh, Bon, nous les demandons de, de, vraiment nous appuyer. Vous demandez à qui Les partenaires de nous aider. D'accord. Monsieur le professeur, vous avez un cri de cœur euh, Ce qu'il faut dire, euh, en tout cas, on a tout ce qu'il faut, puisqu'il y a l'engagement du président. Euh, comme je l'avais dit, à faire de l'école, en tout cas une école, à redorer le blason de l'école nigérienne. Et ce qui signifie, et qui du coup, moi dans ma compréhension, instruit toute la, chaîne euh, et, que chacun doit œuvrer pour que euh, les choses aillent pour le mieux. Et au niveau donc des parents, mais je pense que donc ça n'exclut pas aussi la prise de conscience de tous les parents et que cette fois-ci, puisque l'interlocuteur a pris cette décision, je pense que le problème ne se pose pas. Il faut que tous les autres maillons de la chaîne, chacun joue euh, sa partition. À l'endroit des ONG ou des partenaires, c'est de toujours continuer à aider en tout cas euh, en particulier l'école euh, l'école en zone rurale parce que euh, euh, la zone rurale a besoin d'accompagnement, comme nous l'avons dit. Et si euh, ces jeunes-là sont accompagnés jusqu'au jour où, en tout cas, ces localités auront des personnes qui en sont instruites et qui vont prendre euh, en charge, en tout cas pratiquement d'eux-mêmes, par eux-mêmes, l'éducation de leurs enfants. Moi, je pense que là, ça, ça, ça, peut venir. Et j'en appelle, c'est euh, l'occasion euh, encore, parce que de revenir à l'appel local, s'il faut l'appeler comme ça, pour qu'au niveau de la commune, nous avons la chance d'avoir la commune qui est représentée par une conseillère élue et qui est aussi donc enseignante. Donc nous leur demandons euh, en tout cas de donner un cachet particulier euh, au partenariat à la préfecture, c'est déjà de toutes les façons le cas, nous, au niveau du CS, nous avons un bon partenariat. Donc, au niveau de la mairie, nous, nous disons que il faut bien qu'il y ait des missions des sensibilisations. merci qui beaucoup. aller dans le... Merci Akini. votre cri de cœur. Euh, merci Moussa. Le cri du cœur que j'ai lancé, dire c'est à l'endroit des jeunes, ces enfants qui abandonnent. C'est-à-dire il faut être patient dans la vie. C'est-à-dire il faut embrasser l'école. C'est avec l'école qu'on peut avoir une garantie pour un lendemain meilleur. Donc saisissez cette chance pour rester étudié. Donc vraiment que les partenaires dans leur programmation, qu'ils continuent d'appuyer ces structures-là pour qu'il y ait vraiment un maintien de ces jeunes à l'école puisqu'il constitue l'avenir de ces pays. Il compte sur cette jeunesse. Donc, pour qu'il y ait vraiment une, jeunesse euh, normale, il faut, les appuyer, il faut les sensibiliser, il faut les accompagner. Merci. Euh, Algafet euh, Agali, vous au niveau de parents, quel est votre cri de cœur Alors, en tant que parent, je vais m'adresser d'abord à, moi-même. C'est qu'on doit s'impliquer davantage. On doit s'impliquer davantage dans la formation des enfants. Ça, c'est d'abord la première chose. Parce que même si un partenaire vient, quand il ne voit pas l'engagement des parents, c'est décourageant. Maintenant, pour les partenaires, il suffit qu'ils continuent de nos écoles. C'est un cri de cœur vraiment à leur endroit. Continuer à venir, ils ne doivent pas se fatiguer quand même. Et au niveau des autorités, au plus haut niveau, il faut redonner à l'école vraiment sa lettre de noblesse. Donc, mesdames, messieurs, merci. Nous arrivons à la fin de ce forum de ce soir sur le thème abandon de l'école par les enfants au profit d'activités d'orpaillage. On peut retenir, entre autres, donc, les propositions de nos invités, les sensibilisations à tous les niveaux, euh, donc, les acteurs concernés, euh, la création des cantines scolaires et des centres d'accueil pour euh, les enfants, pour le maintenir à l'école et surtout un cri de cœur aussi à, à, à la fin, le partenaire et l'État nigérien pour vraiment donner un appui conséquent pour euh, les écoles, euh, surtout les écoles rurales. Alors, euh, nous étions en compagnie de nos invités, Azara Mohamed, conseillère à la commune rurale d'Iferouane, Monsieur Ahmoudou Akine, représentant du conseil des jeunes d'Iferouane, Agali Algafet, représentant de la fédération départementale de COGES d'Iferouane, et enfin le proviseur du CS Tamgaka d'Iferouane Monsieur M. Elias Ahmed. Merci, Monsieur Elias. Merci. Mesdames, Messieurs, au revoir.